Lata, c'est le nom du serpent génie même qui appartenait au Tchanga depuis Badar. Kombo, c'est le nom de la grotte où loge le serpent génie. Donc, à leur arrivée sur l'autre rive, c'est Lata qui s'était transformé en tourbillon pour se diriger vers la grotte. Quand ils ont constaté que le tourbillon s'est introduit dans la grotte, alors, en ce moment, ils se sont également introduits dans la grotte. En faisant le tour dans la grotte, ils trouvent une issue qui les conduit sur la hauteur de la colline. Et c'est à ce moment que Lata s'est fait voir lui-même. Il dit à Kokomozo, restez ici, ne partez nulle part, je saurai vous amener à l'endroit qui sera bénéfique pour vous. Vous savez, les Tianga et la terre ont un serment d'engagement entre eux. Ensuite, Kokamonzon a tapé sur la terre pour savoir ce qui s'y trouve au bas de la colline. Il a ainsi aperçu un arbre très touffu et tout vert, que même ses branches sont basculées au sol, ici même où la ville de Gaïa est implantée. Lorsqu'il a demandé la terre, il a incanté la phrase suivante. Mais toi qui m'as autorisé, toi qui m'as dit qu'en toutes circonstances de difficulté, de te demander la voie à suivre pour me libérer, et que tu vas me guider. Oh mère, qu'est-ce qui se passe Où allons-nous ainsi L'aspect que je vois au bois de cette colline, qu'est-ce que c'est La terre n'a pas hein. répondu. Ils étaient là, ils attendaient. Et dans le regard, par-ci par-là, ils ont aperçu une reine qui porte à son cou la couleur rouge. Alors ils se sont dit, partout où l'on voit cette espèce d'oiseau, eh bien, c'est un signe qui illustre un endroit où il existe un village. C'est ainsi que Coco demande une fois de plus la terre. Après cette sollicitude, quand l'aube s'est dessinée, ils entendirent le chant d'un coq au bas de la colline, juste à l'endroit où était l'ancien marché. Quand ils se sont grouillés pour aller là où se trouvait le coq, et tout de suite, un tourbillon s'est déclenché devant eux pour les amener au-dessus du grand arbre. Et cet endroit était ouvert. C'est vraiment gagnant. Gagnant en langue tchanga veut dire la verdure. Alors, quand ils sont restés à cet endroit, Coco a instruit son frère Farah de demander leur mère. À eux, ils disent à la terre, mère. La terre n'a pas répondu à Farah. C'est en ce moment que Coco lui-même demanda la terre et il a fallu un long temps. Quand brusquement, ils aperçoivent encore le tourbillon qui se dirigea vers la colline et ils l'ont suivi. Quand ils sont arrivés devant la colline, ils voient le coq qui avait chanté devant le trou de la colline Combo. C'est alors que Lati, le serpent génie, parla à Kokomonzon pour lui dire, il leur demanda le sacrifice d'un mouton blanc ou un coq blanc ou tout autre animal blanc, mais que lui, il n'a besoin que du sang. La carcasse de l'animal doit être jetée dans le fleuve, car là-bas se trouvent ses petits frères, c'est-à-dire Harakoy, la reine kaine isadi a hara ko yenno a